l'argent sur cette émission aujourd'hui. Nous sommes avec des commerçants, c'est vrai qu'ils sont 2.0, mais c'est quand même des commerçants incassants. Ils sont redoutables. Hein? De vrais boss, hommes d'affaires, femmes d'affaires, <laughs> businesswoman, businessman. <laughs> Sanouk, sanouk, toi amina, mona tous à la fada. Dubungay soir, fatan, alheri gareku. Au micro, votre ami de toujours, Rabia Maikano. À la fada, aujourd'hui, on va parler du e-commerce. On ne savoir qu'à soi d'akibus kanyana gizo gizo. Depuis un moment, déjà grâce au commerce 2.0, on accède aisément à plein de produits, de services. Kayan jiki abinci kai la kala kala da ake buskan Facebook, WhatsApp da internet da abun Badama. To ita wannan kasuwar da a ne ake cinta. Masu sayar da saidawa ba su da wata damuwa C'est si facile que ça. Quelles sont les contraintes liées à ce nouveau commerce C'est comme Olivier, c'est Olivier, ça va Yaya Kaki. ça va bien, Ravi, et toi, tu vas bien Ça va bien. Et bien évidemment, et ce soir, mais on se demande qui peut juger bah, d'un acte légal sur le plan administratif. Et bien évidemment, la grosse question de la soirée, c'est comment peuvent être soumis un contrôle de légalité. Et on va en parler à la fin de l'émission. Tu es un peu dans les D'accord, Olivier, oui. Franchement, j'ai besoin de tes éclaircissements parce que là, là, <laughs> c'est flou. <laughs> c'est flou, c'est trop technique tout ça. Nous avons également la rubrique da qui yake sarrafa muna Kouani sati bien sûr ya musique. fara san music kun a à un hara ci gaba hallo da music namu a cikin de tamu don mu na yau muka gayyato a nan studio kalangu matasa masu saye da saidawa a bisa kan muna tare da mamman adamu ile shago niger ça va ça va. Yasha Gonaka. Ça va, ça va. C'est bon. <laughs> D'accord. Toi, alla bura kasuwa. <laughs> Muna tare da Umul Kayar Karijo, ita kuma ere da Kairu Habu. Oui, bonjour. Bonjour, ça va, Oumulke Alhamdoulilah, tout va bien. à côté. À côté, <laughs> Nous sommes avec Madjigen Sosukena, elle est de Taf Taf Livraison. Ça va, Madjigen Oui, ça va très bien. Et, vous. Taf Taf Ça va, ça se passe bien. On livre toujours, hein Oui, chap, toujours. Chap, Taf Taf. <laughs> D'accord, la bienvenue sur tout ça, la Fada. Merci. Nous sommes également avec Mahamadou Zamanka. Il est de Artisan Line. on Hein. hein. Voilà. L'artisan en ligne. Voilà on fabrique et puis on vend en ligne. Voilà. Mais la, fabrication, se fait pas. Ah. <laughs> D'accord. On avait besoin de cette précision. <laughs> Acheter en un seul clic, c'est grave tendance et les jeunes en profitent. Selon Wikipédia, le e-commerce est apparu au même moment que Internet dans les années 90. ya da dama sun sa kansu a Écoutons la réaction de quelques jeunes au micro de Biggest. C'est monsieur Anarwa Abdelkader. J'ai acheté un article sur Internet. Voilà comment ça s'est passé. J'étais sur Facebook un jour et j'ai rencontré des, la chaussure que je voulais en question. Quand j'ai vu la chaussure, j'ai contacté le monsieur et il me dit c'est simple, voilà le prix. On, on a discuté sur le prix. Après avoir discuté sur le prix, je lui ai dit ok, comment on va faire le versement Il me dit de lui faire par une carte magnétique. Donc, comme je lui ai envoyé l'argent, c'est 30 000, j'ai acheté la chaussure. Il a envoyé la chaussure par Rimbo. Oui, j'ai une fois effectué un achat sur Internet, euh, notamment sur le site AliExpress. Euh, donc, je me suis acheté une tablette graphique. Mais avant de lancer euh, la commande, j'ai dû faire des recherches sur le site, trouver le bon vendeur et surtout celui qui vend la marque que je voulais. Et il n'a pas hésité à me donner des informations sur le produit et les différents, les caractéristiques surtout. Donc, euh, il m'a aussi expliqué les modes de paiement, c'est soit par euh, envoi Western Union ou par euh, paiement par euh, carte bancaire. Donc, j'ai choisi la deuxième option qui est celle de la carte bancaire. Donc, une fois qu'on a conclu les marchés, j'ai envoyé l'argent. Il m'a aussi envoyé les produits par DSL. Ben, voilà. nos commerçants 2.0 yanzu kun shi dai wa'annan kiliyan ne wanda suka saye wasu sun saye bon a l'exterior wasu kuma a nan ne suka saye nasu kun shi abin da suka yi bisa kan wannan commerce wai ku kwatanta mini wannan kasuwa yi ya ne take ya ne ake cinta me ake saye me ake saidawa on peut en savoir plus sur ce marché 2.0 <laughs> mama Adamu oui mm bon wannan kasuwa da ake kira wannan kasuwa e-commerce e-commerce ba kasuwa ce kaman kowace kasuwa filman ita wannan kasuwa ile numeric sama internet take shago ne mm. sama internet wanda ta ga internet mutum shina iya shiga cikin shagon mutum ya bincika kaya iri da kwai na saidawa wanda ba he mutum ya tashi ba ya tafi kasuwa okay kenan ta ga internet mutum shina iya gani produit wanda kake nema inda ko sama internet kin mutum yana da avantage kin shi mutum shina iya daga gida zamne mutum ya gani produit kin ya gani fotuna kala-kala mm. na produit kin ya gani kuma des fois ana sa message a yi expliquin functionality kin produit kin kayan mutum ya gane da kyawu unhannin wannan produit kayan mutum ya kayan ma mutum ya sai kayan ma mutum ya sai to yanzu zan zo um, gare ki <clears throat> kairu habu umul kair ko to cikin uh, kasuwan naki qu'est-ce qu'on peut vendre et qu'est-ce qu'on peut pas vendre voilà merci pour la parole uh -huh. et kair habu en fait nous nous vendons kuma nous aidons à vendre kamar muna saida kuma muna aider mutane suma su saida ka gani kun gani mu muna saida duk wani irin kala vestimentaire kaman kaya na sa na mata mm. kuma na maza muna mm. sa takalma kaya na yara jeu na yara à quoi akwai kuma à quoi kun gane menna mm. in akwai wasu commerçant da suke so kuma a ga kayan su biskan layin mu su ma muna invitant su su yi proposer su sai da nous envoie leurs produits en fait voilà. que nous mettons nous-mêmes sur le site en fait en contrepartie de d'un pourcentage sur les articles vendus. Ok, je vois bien. Voilà. C'est sympa ça. Taf taf livraison. Bien sûr. <laughs> Toi qui livres euh, et qui. Bon, on passe des commandes ou tu es en contact avec ces commerçants-là, je dirais. Hum, selon toi, qu'est-ce qui marche le plus ici Oui, c'est quoi qui marche surtout. À la bouffe, On est de gros les gourmands. Livraisons de hein. repas. <laughs> les livraisons de repas. Oui. On en a beaucoup. Mais à part ça, on a beaucoup de commerçantes quand même avec lesquelles on travaille. Mais les mm. commerçantes qui n'ont pas de boutique en fait, qui sont à domicile, peut-être qui travaillent en même temps. C'est surtout ça notre, notre, en fait, la plus, notre plus grande clientèle, quoi, si je peux le dire mm. ainsi. Donc elles sont à la maison, on prend les colis chez eux et on livre aux, différents clients. D'accord. Mahamadou, ça manque de artisan line. Hein matasa sun sa kansu cikin wannan ce sabon kasuwancin wacce shawara ce za ku iya ba su avant de se lancer toi tu ben moi la première des choses que je vais lui conseiller d'abord en fait c'est développer une audience donc quand il a une audience, ce serait plus simple en fait pour faire connaître. Parce que là, par exemple, moi, ce que je fais, donc au niveau de Artisaline, la cible, c'est vrai, il y a la cible locale, mais ce qu'on vise le plus, en fait, c'est l'étranger. Parce que qu'est-ce qu'on vise Parce que la plupart... Ok. <laughs> Ah il a du mal avec le micro. Voilà. Hein. <laughs> Donc la plupart, en fait, euh, des artisans, euh, ils, font des très bons produits. Et malheureusement, en fait, leur cible, bon, c'est vrai, les Nigérians, on consomme mais seulement, en fait, on n'a pas le même... Euh, timidement. très timidement. <laughs> la, preuve. Hein. Ah <laughs> on voit bien. Donc, euh, voilà, donc euh, là, en fait, c'est vraiment pour pouvoir aider ces artisans à vendre à l'étranger. En fait, c'est voilà, il faut, il faut avoir un portefeuille, c'est-à-dire ton portefeuille, il faut savoir le gérer. Donc ces gens, voilà, il faut tenir, en fait, ces gens-là, il faut être en contact avec eux. C'est des choses qui s'apprennent. D'accord, je vois bien. Là, c'est hein. plus clair. Non, non, non aiko muna ra'ayinku ko ku tambayoyinku bisa kan wannan shirye-shiryen namu 86 88 euh, on va faire un tour avec Dondi dans sa rubrique zan mu je wani artist cette fois-ci zai zo mana da shi wani ne hira da shi mu ji abin da ce Nigérienne Nigérien mes chers compatriotes une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux le Covid-19 l'artiste s'exprime. Yaka Yaka Chaka. Ladies and gentlemen, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre rubrique L'artiste s'exprime Covid-19. Engagement pour le combat contre la Covid-19. Tout le monde, sans exception, joue son rôle et les artistes ne sont pas en reste. Nous avons déjà abordé le sujet dans nos précédentes émissions et sur lesquelles nous avons accueilli plusieurs artistes, chanteurs et renommés afin de nous parler de la Covid-19 et des actions qu'ils mènent à leur niveau pour lutter contre cette des mi. Aujourd'hui, nous touchons une autre star avec laquelle nous allons échanger sur la Covid-19. On l'appelle le king de l'afro-pop. Il allie originalité et créativité dans ses chansons. Alors, on l'appelle. On se rappelle tous de Surbajo, euh, Matata ou Tabakaka. Alors aujourd'hui, nous allons commencer, euh, n'est-ce pas, à chanter l'amour parce que cet amour rend d'une manière ou d'une autre l'homme dingue. Écoutez ce que ça donne. L'amour rend l'homme dingue, l'amour rend l'homme fou, l'amour rend l'homme malade, rend l'homme dingue. Alors aujourd'hui, c'est pas l'amour qui rend l'homme dingue, c'est pas l'amour qui rend l'homme malade, c'est pas l'amour qui rend l'homme fou. Écoutez ce que ça donne cette fois-ci, c'est la Covid qui rend l'homme fou. La... Covid rend l'homme dingue, Covid rend l'homme fou, Covid rend l'homme malade, rend l'homme dingue. Écoutez aussi Irsi Baraba faut nin NIRSIBA nin nin NIRSIBA covido nin nin nin covido Covid nirdan <laughs> Alors Covid nirdan drara Alors puisque Covid nirdan drara. Oh. Alors aujourd'hui on va parler de cette Covid. Il mourut yimarim Covid odan Alors Abel Zamani, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait Quelle est ta contribution dans cette lutte contre la pandémie de la Covid-19 stop corona ciwon corona ciwo ne mai ban tsoro ku bi gargadin da ake muna likitoci sun fadi nasu shugaban ne sun fadi nasu ina laifi ka wanke hannu da sabuni tsaf tsaf tsaf corona mai tsoron tsafta ka kare kanka da iyali dan neman lafiyar jikinsu dan neman lahiyar jikinka sida javino Malaria, tu as vu, non Ebola, tu as vu, non eh, Corona n'a pas dit tout science. Vous vous rappelez certainement, la semaine passée, on était avec Hakim et King. Ok, d'accord, c'était donc euh, pratiquement eh, le même projet. Alors, on te reçoit aujourd'hui, Abel Zamani, pour que tu puisses nous dire hein, euh, la pandémie de la Covid-19 est une réalité au Niger, on le sait. et on Alors, comment Abel Zamani peut expliquer un peu cette maladie à ses fans qui kiffent cette émission à travers le Niger ku duka ciwo ne da ya rikita duniya ya ba turawa wahala da jimawa ba ciwon da ya taba ba turawa tsoro ya rikitar da kwakwalwar duniya da duka duniya gaba ɗaya sai wanga ciwo da ake ce ma covid furancerori duka allike ba mai shiga ba mai fita cikin ƙasar wani saboda wanga ciwo mai halkar da mutane to ina laihin an ce ka wanke hannu da sabuni tsaf ka shiga gidanka don saboda kare kanka da kare iyalinka bai kai ba sai ka shiga musu da wata cuta da za ta halakar da su ba an ce ka sa meta ɗai tsakanin kai da wanda kuke tare ko hira kuke tari cikin guyar hannunka duk wannan bai da laifi don saboda lahiyar jikinka da saboda lahiyar jikinka kafi ya yi magani fasko hattara da covid hattara da covid babu wani a cewa wani taratama efikas ko wani abu ba kai dai hattara ba ta da imani ba ta da imani <laughs> akwai da covid-19 abel <laughs> zamani Mhm. Comment tu vois les choses à l'avenir Est-ce que le coronavirus sera vaincu Quel serait ton message d'espoir à passer ici à l'endroit de nos populations d'ici et d'ailleurs, puisqu'on sait que le virus continue toujours à circuler. Un message de l'artiste qui vient de tes entrailles. C'est de cela qu'il s'agit. Machine, ask you. Réponds. Niger. wanga ciwon idan mun gaji abubuwan da likitoci da shugabannin sun ka gaya mana mun ka bi ka'idodin da an ka ɗauka insha Allah wanga ciwo mun ga ƙarshen shi gashi nan sannu sannu mun ji magana mun ji mun ɗauki abubuwan da an ka gaya mana wanke hannu da yawan shiga cikin mutane da gaida mutane gashi sannu sannu zancen ta na taɓacewa kenan sai ki vidirke gashi mun hita ƙarhi muna nan ga gwada mata mun hita ƙarhi ba ta da wurin shiga insha Allah kuma idan mun ka kama mun sa hannu cikin juna wanga ciwo da ake kira corona wato shine covid-19 bacewa zai yi samsam mu gwada mishi muhi karhin shi musashi dara musashi dara covid ka shiga uku sai dondi ya ce maka hey Nous sommes donc à la fin de cette rubrique, l'artiste s'exprime Covid-19. Ladies and gentlemen, vous savez déjà que ça se passe comme ça sur le studio Kalangu. Eh, les jeunes s'expriment, l'artiste s'exprime sur la Covid-19. On finit avec Tabakaka de l'artiste Abel. Nobody know Django, maybe I can be Django. no yene heke Corona, we go kill you. <laughs> <laughs> We go kill you Ladies gentlemen, alors dites-vous par là que Mr. Mustafa Ayuba était de la partie pour la réalisation de cette rubrique. C'est Nissa qui était aussi de la partie. En cas de difficulté respiratoire, fièvre ou en cas de tout, composé le 118 ou le 15. Machine, Talk kit, Mr. Abel, kit. saurara fada inda muke muna hira tare da matasan yau wanda muka gayyata a annan studio Kalangu. Aujourd'hui, à la FADA, il est question du e-commerce, les formes de e-commerce, les contraintes liées à cette nouvelle activité euh, qui accroche de plus en plus de jeunes. A Wanda fadar muna tare da Madigen de Taftaf euh, Livraison. Nous sommes avec Omulker Karigo de Kairou Habou. Elle a son marché. Hein. Ah, elle, vous la voyez même. Elle a son marché. C'est juste sur Internet. Quoi. <laughs> Maman Adamou. mais shago shi machago shago gare shi amma shagon kuma shi ma internet <laughs> voilà nous sommes avec Mahamadou zaman ka da artisan line su kuma in kana son kake kana iya kiro su suna aika maka shi kowace ƙasa Tu ko cikin wannan savoir kasuwar vous en sortez quoi ko c'est sai maman da dama ana kakamawa ko ko dai sai a hankali To, alhamdulillah kuma he da hankali. Ke shi wannan domin ke e-commerce surtout nan ga Niger ka ce da mutane ba su sani ba kwarai. Puisque in muna yin haraka commerce balle mu da muke da shago saman da internet, ilfoke kayan da muke saidawa wani bi kaya mu shago ne ilfoke a cika shi da kaya. Wanda an shigo ciki a gani lalle akwai kaya mutum ya shiga bai rasa abin da yake birge shi to duk da wannan ba mu iya mu kadai karhin mu fiske da ba wani kama hannu muka samu ba an ba mm. kama muna ba hakanan dai cikin de cikin abin ga muna da debrouiller ne da kanmu kena on est obligé mu matso sauran manyan grossist le commerce wanda ke da shago physique niamey mm-hmm. in ya so mu samu mu wani partenariat da su pour que mu samu su da annan muna tare da su mu samu kayan su da za mu haɗawa mu sa cikin shagon namu yin so mu sai da sama internet Mais maintenant, côté client, on peut dire que ça va, ça commence à, à donner, même si on n'est pas vraiment trop, trop, trop Internet. Hein, mm. Internet qui m'a mm. euh, mais on peut dire quand même que ça va. C'est Hankali. Bon, je dirais ça va, alhamdoulilah, comme c'est Hankali. Kair Habou a vu le jour récemment. Donc ça va, mais tout de même, en compte des difficultés en fait. Parce qu'au Niger, ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet et ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de faire les commandes en fait, sur Internet. Du coup, en fait, la première lutte, c'est de montrer aux gens l'intérêt du e-commerce en fait et également les pousser à faire les commandes en ligne. Parce que, comment Inessa Kayabis quand WhatsApp il y a plus de volontaires. Mais puisqu'en e-commerce, c'est moins que ça en fait. Donc, on ça, va de kawai sur whatsapp ko ko facebook sur whatsapp ba hein. voilà mais quand même ça va petit à petit ana samu ana enregistrer ko mon hakanga. ga ba plomon ba yawa gare ba alhamdulillah ah ouais, euh, à cause de la chanson de Blanche Madigan euh, oui. euh, je voudrais bien que tu m'expliques akai karatun shi kai wannan taf taf libre zan kin koko comment comment tu t'es retrouvé dans dans ça euh, non j'ai pas étudié ça j'ai fait j'ai un master 2 en ressources humaines euh, j'ai étudié au Sénégal et là-bas, c'est tellement compliqué de sortir, beaucoup d'embouteillages et c'est beaucoup plus développé la livraison là-bas. Donc je fais je faisais pas mon marché, je me faisais livrer tout. Ne serait-ce que le pain à la boulangerie, tu pouvais te le faire livrer. Donc je me suis dit ah. alors pourquoi pas Pourquoi ah, pas au Niger Ça pourrait ça pourrait nous intéresser, pourquoi pas ah euh, donc euh, j'ai postulé d'abord pour le Yali Dakar. Euh, c'est un programme d'Obama. Mhm. Donc, où j'ai été retenue, j'ai suivi une formation de cinq semaines là-bas. Euh, après ça, je suis rentrée au Niger. J'ai été pré-incubée au CIPMEN. Et à partir de là, j'ai pu lancer TAFTAF. Et là, tu es TAFTAF à 100% ou tu arrives à faire autre chose Non, je suis TAFTAF à 100% pour le moment. Oh mon Dieu, ressources <laughs> humaines, oh là là là là, dans les placards hein. Tu m'expliques un peu, toi, ton parcours artisanal. Bon, j'ai compris que vous étiez vraiment avec euh, euh, les artisans et tout, mais Akaakaï, tu t'es mis dans ça, le e-commerce et tout. Tu l'as étudié Ou c'est comme a dit Gain, c'est une reconversion ou c'est Comment ça s'est fait, Mamadou Oui, voilà. En fait, moi, le e-commerce, euh, je l'ai pas étudié. Ah, hein, e-commerce, bani karatun e-commerce ba. Donc, okay. karatun deni, c'est karatun, comme on dit. Euh, hein? na jikin yi kaje ga kuma likita <laughs> ah, ne tattalin kasuwanci ake cewa ko ok ouais. voilà donc euh, tout ce qui est business admin donc euh, un MBA en business admin et puis spécialisé marketing donc ah, voilà c'est ce que je... Voilà. Donc, euh, et puis là, en fait, euh, Artisaline, donc, euh, je dirais, c'est un projet qu'on a lancé, ça fait pratiquement euh, un an, six mois. Donc, pas un projet, mais plutôt une entreprise qu'on a lancée, ça fait un an, six mois. c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte, ben, écoutez, il y a le besoin qui est là. Donc, ces artisans, ils produisent des choses. À l'étranger, c'est très bien coté. Mais en fait, eux, ils ne savent pas vendre à l'étranger. Ils connaissent, ils n'ont pas de réseau. Vous êtes les Batman, les Spider-Man, les super-héros. Les super-héros, ben... les <laughs> artisans. Ben, je dirais, euh, oui, on, le, on souhaite vraiment Avec la cape en cuir et tout ça, quoi. Voilà, on souhaite... <laughs> souhaite ben. vraiment être ces super-héros. La Fada vous souhaite plein de succès et plein de courage à vous tous autant que vous êtes Merci beaucoup. <laughs> Maintenant, euh, le problème qui est Internet, tout ça là. C'est si facile de commander en ligne, juste un clic et puis. En un euh, on peut dire que c'est si facile, c'est rapide et tout ça. Maman eh oui. <laughs> Et bon, si on a, tout dépend de compétence euh, qu'un client. Puisque commander un article, moi je peux dire que c'est si facile de commander, oui, dans, sur une boutique en ligne. Puisque ce qui euh, rend la tâche difficile euh, à, d'autres clients, c'est le fait, puisque pour commander un article, il faut créer un compte. sur mon boutique en ligne il faut créer son compte, avoir un identifiant mot de passe et l'adresse de livraison. Donc, si ça va nous permettre vraiment d'avoir euh, une organisation au sein de l'administration de la boutique. to wannan shine ke kama wani bi mu wasu kiliyan matsala suna gani wani dogon lokaci ne eh, wani protocol protocol ka yi karyan kont ka sa wani abun ganka su sun yi so fiske za ka calma akwai ma wanda ba su ma bi ta ga command in sun gani produit ça man site directement su nemo lambar telefon shi kira sai a gani tel produit son haka son haka to haka mutane 20 guda ba mu iya sani wane ne yake ma guda to me bi procedure ya kare un un kin shi commande Musa, mun san wane kuma abu kun on voilà kenan prochainement yayi lansan commande mun san ko wane ne mun san wani unguwa yake to wannan ne kun gani avantage kin in mutane sun yi kokari su yi su bi procédure su yi daga Justement, pour annoncer l'émission qui va venir, on va parler des avantages euh, rapidement. rapidement. Mais maintenant, avant de poursuivre euh, cette discussion avec vous, on va aller souffler un peu en musique avec Jérusalem de Master KG. On se retrouve euh, juste après. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami On me. Oh. Master KG retour à la fada inda muke nan a nan siyar kuma studio kalangu yau da muka gayyata matasa wanda suke kasuwancin su abuskan Facebook, abuskan WhatsApp, abuskan Internet zance carrément. Il y en a qui sont dans la livraison, il y en a qui sont dans l'artisanat, il y en a qui sont des boutiques carrément en ligne. kasuwa da manya da kanana kudai abun da ban sha'awa. To, aujourd'hui à la fada, comment en il est question de e-commerce, les formes du e-commerce, les contraintes liées à cette nouvelle activité, à ce marché 2.0. La dernière question de cette émission, nous allons adressée à pour vous et puis pour vos clients aussi, ça doit avoir des avantages, ça facilite des choses. Hein. Oui, oui, effectivement. Commerce en ligne, on a Chine a bah, bah, avantage Okay. Puisque ba bah, qui ba des ke da tahiya Puisque an e-commerce, ça englobe commis, commis en assamu, ça internet. Yazou Madigen, si je suis à la maison, je me prélasse, ah, je suis bien juste sûr, sur mon divan, <laughs> je vois un truc, je commande. Et on vous apporte tout à la maison. Ah ouais. C'est tellement facile. <laughs> C'est la vie facile, hein. ça. Ah ouais. <laughs> Je te jure, ça facilite la vie. C'est vraiment avec la le soleil qui tape fort. Vraiment. Là, vraiment pas envie de sortir. Hein? Surtout maintenant avec la saison des pluies. C'est pas facile. Les quartiers de Niamey, c'est pas ah facile de pratiquer. Ah ouais. Donc on est là pour vous. Oh, <laughs> merci, c'est fun. Oui, en tout cas, c'est très intéressant. En fait, tu te lèves un dimanche matin, le lait est fini. Bon, clique, tu commandes ton lait, on te livre, tu fais ton petit déjeuner. C'est simple et rapide, en fait. Quoi. <laughs> La belle vie. <laughs> Vraiment la belle vie. Hein. Là, je vois une chaussure euh, qui me plaît bien en ligne. Voilà, oui. Kikaga Balka. On n'allez pas me chauffer avec une pointure qui n'est pas la mienne. Euh, ben, effectivement, en fait, euh, ça arrive souvent que tu es plus grand ou plus petit. Et puis, ben voilà. Et l'avantage, bon, je dirais l'avantage, euh, tu gagnes du temps. Voilà. Et puis, ça permet aussi d'avoir une grande visibilité. Aujourd'hui, en Kinkataï, Chikinkaswa, il faut que tu, fasses le tour de tout le village. Je te Alors dis. que là, tu es assis sur place, tu regardes tout le village en ligne. Voilà. Super. Voilà, tu regardes tout le village en ligne comme mu yi a ku zan mu kira Olivier il y de chronique ici. Olivier. Ah aujourd'hui, ça s'est très vite passé. Hein, ah, tu as vu, non Oui, c'est la connexion qui a été taf, très rapide. C'est taf, même, je te dis, c'est taf, taf. <laughs> <laughs> <laughs> ça marche, ravi. J'espère que tu vas bien. Je vais bien au lit. Moi aussi, je vais bien. Tu avais commencé un truc super costaud, là. Ouais. Éclaircissement. Ango, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ah oui, très, bien. <laughs> Super. <laughs> Pour nos auditeurs et auditrices, j'aimerais juste rappeler le contexte dans lequel nous avions décidé de parler du droit administratif. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la décentralisation. Il y a des pouvoirs qui sont conférés aux maires, aux préfets, aux conseils municipaux. Les habitants ont envie de savoir, ils ont besoin de savoir pourquoi le maire a pris telle décision, et quelle est la base juridique de cette décision. C'est la raison pour laquelle nous avions décidé de faire toute une série sur les actes administratifs. Dans une de mes chroniques, je vous parlais du droit administratif. On continue ce soir avec le même sujet, mais nous allons avancer sur les actes qui peuvent être soumis à un contrôle de légalité. Le contrôle de légalité, d'abord, c'est voir si l'acte a été légal ou pas. Alors, quels sont les actes qui peuvent être soumis à ses contrôles. Toujours en se basant sur les explications de Benoît Plexi, c'est monsieur Benoît Plexi, il est agrégé de droit public, professeur d'université et auteur d'un célèbre livre Droit administratif général. C'est ce livre d'ailleurs qui m'a inspiré. Selon lui, les décisions prises par le maire ou le président de la délégation spéciale dans l'exercice de son pouvoir de police je donne des exemples, hors circulation, stationnement, le port de casque, le port de ceinture au volant, le permis de construire et certificat d'urbanisme est un acte qui peut être soumis à un contrôle de légalité. Il vous souviendrait qu'ici à Niamey, le président de la délégation spéciale a décidé du port de ceinture obligatoire et le port de casque. Ça, c'est un acte... Hein. Ah oui, on l'appelle acte administratif et les citoyens peuvent voir est-ce que cet acte est légal ou pas. Ah, ah bien sûr. Et comment on va revenir là-dessus À part cet acte, il y a les décisions d'aménagement du territoire à travers la mise en place des espaces aménagés comme on peut l'observer actuellement dans la capitale Niamey. Toujours le président de la délégation spéciale, je le cite parce qu'il s'agit de lui, ces décisions que les gens ne comprennent pas. Ces actes administratifs, bah, c'est légalement c'est lui qui doit décider et c'est vraiment dans ce cadre administratif qu'il décide. Quoi il se base pour fixer ses règles C'est très simple, Rabi. À travers la Constitution, à travers euh, les tests pénaux qui existent aujourd'hui, il peut décider de faire euh, un acte ou pas. Et les citoyens peuvent décider également d'attaquer bah, ces décisions ah en justice, bien sûr, et bien évidemment s'ils ne sont pas satisfaits. Alors, amis auditeurs et auditrices, si nous jetons un coup d'œil sur ces décisions, il est important de se demander comment peut-on sanctionner l'illégalité d'un acte réglementaire. C'est-à-dire, euh, le maire a dit casque obligatoire. Comment peut-on décider si cet acte est illégal ou pas. Selon Benoît Plexi, pour sanctionner l'illégalité d'un acte administratif et l'annuler, il existe deux types de contrôles. D'abord, ah. le contrôle administratif exercée par l'auteur de l'acte lui-même. C'est-à-dire que vous vous souviendrez que euh, notre fameux dinosaure a été arrêté. Outre cela, il y a aussi l'exercice exercé par son supérieur hiérarchique. Et supérieur hiérarchique, dans ce cas, on peut prendre le cas du président de la République. Par exemple, le maire prend une décision, le président de la République ou bien au Conseil des ministres, on pourrait décider, bon, cet acte a été annulé. Est-ce qu'on se comprend, Ravi On voit, oui, on voit. Bien sûr. Et il, existe encore euh, un troisième outil de contrôle, c'est le contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif. Les citoyens de Niamey peuvent décider de porter plainte au niveau du juge administratif et le maire sera écouté. Et si l'acte est jugé illégal, bah, obligé de revenir là-dessus. Eh oui, sérieux. Portez-vous bien et notez ceci. Sans liberté, pas de paix. Et pour avoir la liberté, il faut connaître ses droits. Merci Olivier. On en sait un peu plus sur nos droits en tant que citoyens, habitants de la ville de Niamey et tout ça. Mais bon, je pense pas qu'on va aller porter plainte quand même. <laughs> sur euh, toutes ces informations données par Mr. Oli, le roi de la chronique de la fada. Nous allons nous dire bye bye. Wannan fadar ta muta kare ta yau muna tare da wa'annan matasan da mu gayyata mun gane ke akwai kasuwanni bisa kan Facebook, bisa internet. Kai kilki daya ka samu. Kuma ina ji hankalin kama na iya kwanta parce que wa'annan matasan suna nan suna aikin su don ka samu abinka cikin ba tare da ranka ya ɓaci ba. Sai sa travailler pour ça. Hein. Voilà. Et euh, on va dire euh, bon vent au e-commerce. Merci. <laughs> plus avec Dandy. Avec lui, il sera question de. Mais voilà, donc avec Dandy, il sera question de e-commerce, les opportunités liées au e-commerce, les risques et puis les perspectives pour les jeunes. N'oubliez pas de réagir sur le numéro magique de la fada 80 06 88 54 a huta